som de Voyager. sur cette euh, édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, la circulation des transports communs perturbée ce matin 17 février 2022 dans certains quartiers de la capitale suite à la grève lancée par le syndicat des transporteurs. L'une de nos équipes a sillonné la capitale pour faire le constat de cette grève. Suivant le commentaire de Hassedjo. C'est après un préavis du euh, grève Nancy, le 14 février pour la journée du 17 février 2022 par les différentes centrales syndicales de transporteurs que ces dernières étaient en négociation avec le gouvernement sur les 11 points objets de leur plateforme revendicative dont deux ont été solutionnés, notamment celui de la Caisse nationale de sécurité sociale et celui des prix ainsi Ainsi, certaines centrales ont décidé de maintenir le mode de grève, ce qui laisse constater ce jeudi 17 février que le mode a été respecté dans certains quartiers de la capitale, créant ainsi un problème de mobilité pour les usagers du transport commun. Quant à certains conducteurs de taxi qui ont décidé de travailler sur leur il a été boycotté par certains jeunes faisant descendre les passagers de leur taxi pour les obliger à suivre la grève. Cette situation interpelle le gouvernement à prendre des mesures consensuelles avec les transporteurs, auquel cas la population sera réduite à une immobilité pour cause de transport au prochain modèle de grève. Après trois mois de négociations, un protocole d'accord a été signé entre a été signé le 15 février 2022 entre le gouvernement et la dynamique des 30 syndicats du domaine de l'éducation et de la formation relativement à la plateforme revendicative du 25 mai 2021, suivant la réaction du secrétaire général du euh, d'entente avec le gouvernement sur l'essentiel des points. Alors, ce qu'il faut saluer dans ce protocole, c'est que quand même, il consacre la reprise et non l'aboutissement des négociations qui étaient remplies avec euh, notre emploi, c'est-à-dire le gouvernement, euh, pendant plus de trois ans. Nous sommes dans notre quatrième année, et s'il n'y avait pas eu ces sessions d'échange, on aurait passé cette quatrième année sans avoir d'interlocuteur. Et je pense que cette euh, étape a salué temps plus qu'elle a permis quand même aussi, entre autres, de consacrer un autre processus qui était interrompu, celui directement des enseignants contractuels à la fonction publique. C'est pourquoi nous estimons que c'est déjà une bonne chose parce que la plus grande préoccupation des enseignants aujourd'hui, c'est directement la fonction publique. Elle vient d'être euh, reprise il faut le saluer, même aussi du côté des syndicats, nous avons encore quelques réserves par rapport notamment aux critères de ce recrutement-là, et qui feront de toutes les façons, selon l'esprit de l'accord, au jeu des discussions entre la partie gouvernementale et les syndicats pour que les choses se passent très bien et que ça ne puisse pas léser certains de nos camarades, surtout qui ont passé et donc beaucoup d'années en tout cas à se sacrifier en prenant un véhicule à la place d'un salaire, mais faisant le travail nécessitant un salaire. Alors ces camarades méritent quand même un certain euh, traitement et particulier. Alors, euh, de l'autre côté, il y a pas mal de points qui concernent également les enseignants, c'est la question de la carrière, la réouverture des concours, euh, fait, l'organisation des concours régulièrement, c'est-à-dire chaque année, le paiement des incidences financières et des rappels. Nous venons d'obtenir un montant de 100 millions qui, peut évoluer en fonction aussi euh, de la situation financière. Un montant mensuel de 100 millions quand même à dédier aux enseignants. Je pense que euh, c'est aussi quelque chose de bon parce que ça fait beaucoup de temps qu'on ne prépare pas aussi les, les, financières et incidents les rappels. entre autres points, il y a celui du, du, de contact à et eh bien sur ce point-là, et, vont le gouvernement parlait d'une certaine consularisation. C'est vrai, on a eu à avoir un accord à l'époque et qui dit qu'il faut les recruter à la fonction publique, mais chemin faisant, en tout cas, ce qui nous a été servi n'est pas un recrutement à la fonction publique, c'était même de les mettre sous le statut d'auxiliaire, même si ce n'était pas qu'ils seront des manœuvres ou, ou qu'ils auront le traitement, non, c'était juste une question de termes, de terminologie. Décidément, on a fini par retrouver tout simplement un certain contact à la fonction publique, qui veut dire que ce sont des enseignants donc, qui, vont faire, qui vont avoir une certaine carrière, notamment finir avec une pension, ce qui n'est pas le cas pour un contractuel qui, quelque le euh, d'années et lequel il a cotisé, il va juste prendre la somme de sa cotisation et partir, ce qui n'est pas le cadre de sa protection sociale. Donc ici, ces camarades enseignants auront quand même une pension à la fin. Et même ceux qui ont dépassé l'âge, l'État a promis qu'il va verser le montant nécessaire qu'il va leur permettre à la fin donc d'avoir une, pension. Nous pensons que c'est là une bonne chose. Maintenant, le contenu, parce que pour ceux qui ont de leur carrière, et pour ceux qui sont de ceux qui ont aujourd'hui à partir de 46 ans à 50 ans, ils ne peuvent pas passer 14 ans à 10 ans à être des contractuels, euh, donc condamnés à être des contractuels, nous avons pensé qu'on euh, peut améliorer ce processus du retour des contractuels en faisant qu'une tranche d'entre eux puisse aller à la fonction publique. De toutes les façons, le protocole là, il a un avantage, c'est que les discussions ne s'arrêtent pas à partir de ce protocole. Et un comité paritaire va être mis en place, qui n'est pas le comité de suivi ce n'est pas le comité de suivi de la mise en œuvre, mais c'est un comité paritaire qui va continuer les discussions sur pas mal de points. Parce que pour le moment, euh, la stratégie la même, c'était de prendre ce qu'il a, qu'on a obtenu il fallait les prendre. Et sinon, donc, l'instabilité va s'éterniser dans le secteur de, l'éducation et les enseignants ne vont pas gagner. Ils vont continuer à perdre sans gagner. Voilà, en fait, l'esprit de ce protocole-là. Je vous dis que son avantage, c'est qu'il a déverrouillé beaucoup de choses, beaucoup d'acquis beaucoup de droits d'air qui étaient normalement censés tomber euh, chez les enseignants et qui ne l'étaient pas. Et c'est la réaction du secrétaire général de Bismen Isfoarzeka sur le protocole d'accord signé entre le gouvernement et la dynamique des 30 syndicats du domaine de l'éducation et de la formation. Toujours par rapport à l'éducation, une de nos équipes a recueilli ce matin l'avis des étudiants sur le mot d'ordre lancé Parmi l'un des étudiants de l'Université de Niamey sur les conditions de vie de l'étudiant à l'Université de Niamey. Suivez plutôt si tout le monde, même ceux qui ne vivent pas à l'université, ils en savent un peu de ce qui se passe de euh, du point de vue social euh, à l'université de Niamey. D'abord, il faut savoir qu'à l'université de Niamey, euh, du point de vue logement, le logement est très limité. Chaque année, il y a, des nouveaux qui entrent et il y a vraiment un nombre très limité, très très limité qui sort. Donc du coup, c'est ça qui fait que euh, vraiment le, campus au niveau du logement est très chargé. Même les cités annexes qui existent maintenant, ils sont trop chargés. Que ce soit si vous partez dans les facultés, les amphithéâtres, les salles de cours, si vous êtes sur les campus universitaires en matière de logement, en matière de la restauration, en matière d'un certain nombre de choses qui rentrent dans le cadre de l'épargne même. Donc en gros, la, demande est forte et les infrastructures d'accueil sont très, très limitées, ce qui fait que les conditions de vie et tirs sont extrêmement difficiles. Mais l'un dans l'autre, on ne peut pas dire que ces conditions sont totalement inexistantes dès lors que les étudiants arrivent à vivre, même si c'est de la promiscuité totale, les gens arrivent euh, avec euh, la solidarité qui est légendaire quand on est étudiant à l'université de Miami, c'est beaucoup de plans, les gens arrivent à avoir la résilience nécessaire pour tenir le coup. Ce que je peux dire comme condition du misérable ici à l'université, c'est que parfois aussi euh, euh, l'attribution du bourse, quand on vous attribue la bourse, avant qu'on vous donne la bourse, vous allez, vous allez passer des mois sans pour autant avoir quelque chose. Les parents n'ont pas pour vous envoyer. Parfois, quand, quand ils vous envoient quelque chose, vous avez encaissé beaucoup de dettes. Vous avez beaucoup de dettes avec vous. Vous attendez à ce qu'on vous donne l'argent pour diminuer les dettes là. Puisque les personnes vous parlent à hein, leurs dettes, leurs dettes. Vous pensez non seulement au module, à la restauration, mais aussi vous-même. Qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous aurez à faire avec l'argent c'est ne sait même pas apporter des habits qui sont neufs comme ça, ou bien entre quelque chose quoi, de confort, si vous peux le dire. Mais seulement vous vous concentrez en ce qui concerne votre cadre d'intellectualité. à c'est l'avis des étudiants de l'université Abdou par rapport à par rapport au mot de radio-grève lancé par l'Union des étudiants de l'Université de Miami. Presque un an après la fermeture de la Comunac ou en étant avec la réhabilitation du site industriel, comment syndicaliste et ancien agent de la compagnie apprécient-ils cette fermeture Quelles sont les possibles orientations de la commune d'Arlita sur le plan économique Des réponses dans cet élément du studio Kalangou. Protrem para nós, vamos, vamos. La mine d'uranium exploitée par Cominac, une filière du nucléaire Urano, a cessé ses activités. Le réaménagement de cette infrastructure est un défi qui doit relever le Niger, explique Moussa le directeur départemental de Mondarit. Il indique également que l'option choisie par la mine est le voyage de plusieurs centaines de kilomètres de galerie. L'aménagement du site, c'est un petit appareil, hein. et c'est aussi le premier objet. Nous avons l'obligation de la réussir. Et la Cominac aussi n'a pas intérêt Abu Bakar Persiwa Seri di Jumur Sudah Isi saat ini Mari isi Seri di Ramai Dalam Mereka Lapus Kami seorang Dari Berupa Peran Jalan Sehingga Dengan Tangan-tangan Tangan-tangan Bahasa Dengar Sehingga Tangan l'objectif de traitement, l'action qui a été détenue, c'est le démantèlement. Tous ceux qui ont contaminé, ceux qui ont contaminé, sera enfui au niveau de la personne Parce que si on de la population, ça risque d'amener, ça va amener des problèmes de santé. Cette fermeture n'a pas été bien maintenue par les sous-traitants, mais également par d'anciens agents de la compagnie. Ils évoquent certaines irrégularités, dont la prise en charge médicale qui n'est toujours pas effective. On a eu des gens qui ont eu des accidents de travail pendant le commun qui est en train de fermer. Avant même la fermeture, mais on les a fait partir, de pas du tout le la prise en charge par rapport à la santé, c'est des accords qu'on a signés avec Karen Assurance pour 5 ans. On a dit que l'accord sera mis à compter du 1er mai 2021 pour la prise en charge. Et nous vous assure que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas effectif. Ils ont dit que c'est 90% Je veux dire, c'est écrit derrière la table. Quand tu es le clinique, de es le ce qui est donc consultation. Et 90% des cas sont En fait, aujourd'hui, nous, nous sommes en justice. On a, fait un peu de nos avec, avec les entrepreneurs. Parce que c'est le triple qui va le droit l'égo. Aujourd'hui, à peu près 630 et quelques agents statutaires, y compris 800 et quelques sous-traitants. Et ces gens-là, ils sont en chômage. Il faut qu'ils ne fasse quelque chose Depuis 2010, la commune urbaine d'Arlit a commencé à développer un programme de dénommé Arlit après le mines, indique à Abdraman, le maire. Ceci dans le but de créer des secteurs économiques qui ne dépendront plus de Nous avons un lieu de faire de l'eau et une table de transformation de produits agricoles de toutes les régions de la province. Pourquoi Parce que nous avons l'espace, nous avons les ressources de monde, avec ces gens qui ont quitté ces sociétés-là aujourd'hui peuvent trouver l'homme de vivre les 80 de petites de agricoles. Le deuxième produit, c'est la Trans-Saharienne. La Trans-Saharienne, euh, c'est cette route qui quitte Alger et qui se jette dans le lac Tchad jusqu'à N'Djamena.

toujours à l'intérieur du pays, plus précisément à Tawa, où s'est tenue la clôture de l'atelier de validation des plans d'action communaux organisés à la fin du projet par la data et Rain. Et c'est la salle de conférence de l'hôtel de ville de Tawa qui a servi de cadre pour la dite clôture. Suivez plus tard. C'est je vous espérer de façon globale que une petite contribution de notre part à tous pourra aider cette communauté à aller encore plus de l'avant. Nous, en tant que partenaires, nous sommes minimum tous à maintenir au niveau de cette communauté. Nous tenons un avis aussi au niveau des structures étatiques. Nous serons vraiment tenus au Soudan projet, Nous voilà aujourd'hui à la fin du projet Pafan, Wadata et Rennes, après 5 ans de mise en œuvre des activités. Le présent atelier rentre dans le cadre de pérennisation des activités communautaires. Mesdames et messieurs, les décisions que vous aurez prises aujourd'hui vous engagent et engagent vos communautés respectives. Et j'ose espérer que les plans d'action validés serviront de feuille de route dans le cadre de la pérennisation des activités communautaires. Mesdames et messieurs, c'est ici que très fin cette édition d'information. passée d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Pandara. Au revoir.